conclut les amis de Babo Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de like, merci de des merci également gars de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé à hein, chaque fois de partager une information. Inbox sénégalais fait folle maintenant. 14 régions du Sénégal, Rokhoukhali, Gorgokhali, Niglendi, Djadjefol. Nous sommes également à l'hôpital et sécurité de février. la sommes Borom train de bop ñëw rek jamm ñu nek ci kasso yi ngeen aussi erreur judiciaire ak gëjë ñu deful mo leen fa yobbu suñu borom gën leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëddu aduna suñu borom xale leen ajana fi daw si gaay te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie do Baba Show l'actualité en continu à quel ñu fas yéene ki nga xamné nak moy Youssouf Sabali Sabali hein donc comme je le dirais mu nek la tour de contrôle hein de de de l'aile de l'équipe nationale du Sénégal nek ki nga xamné ne nag gars l'homme de l'ombre de cette génération Youssouf Sabali Sabali nek jour bo xamné ne nek jour bu humble bu effacé bo xamné do ko gis ci coow doo gis ci lenn toujours effacé koo xam ne dafa euh, restreindre euh, dundam ah ba kenn xamul ko dara nekk homme vieux bu simple et tout Youssouf Sabaly Sabaly aujourd'hui est devenu au fil des années l'un des éléments indiscutables du dispositif de Aliou Cissé ni ñu waxee ne Sadio Mané mënut a manqué ci équipe bi noonu la ñu war a mën a waxee ne Youssouf Sabaly mun noonu la mënut manqué ci équipe parce que c'est un joueur polyvalent capable de jouer à droite et à gauche au niveau de l'équipe nationale du Sénégal moom nak il est né en 1993 ah hein, donc petite catégorie équipe nationale de France yëpp la def tàmbale ko ci U17 yi ba espoir yi il n'a jamais déçu hein, et il a toujours été euh, présent Monsieur sa Sabaly bi aussi formation du côté du Paris Saint-Germain le de 1996 ans ci jamono joju nak gars mu commencer aussi di évoluer ba benn moment mu signé contrat professionnel du côté du Paris Saint-Germain après Paris Saint-Germain alco du côté de Nantes Nantes lañ ko àll mu nek Nantes dafa saison bu époustouflante jóge fa ñëwaat Paris Saint-Germain du ko jaay da koy aale alaat ko Girondins de Bordeaux mu def une saison complète avec wa Bordeaux hein. nek fa aussi un élément indiscutable Bordeaux si la jóge nag signé le contrat définitivement Paris Saint-Germain jaay ko jaay Bordeaux mu jóge Bordeaux dem fa nga xam donc fini donc. Real Betis Séville depuis qui n'a que dit Youssouf Sampoli est devenu un des éléments yo xamné du côté du championnat espagnol mon nañu wax c'est l'un des meilleurs arrières latérales et même du côté Real Betis Séville beaucoup na ci cadre Youssouf Sapoli nak donc bon euh, bi au niveau de l'équipe du Sénégal précisément le 10 novembre 2017 le Sénégal le 10 novembre 2017 bon un match contre Afrique du Sud le won au niveau du Sénégal comme je le dis ça a été euh, facile pour lui parce que nek na jamono yo xam donc def na petite catégorie bi yëpp euh, fa nga donc ci France Sénégal woo ko ne ko daf ko soxla automatiquement mon mu donc nek ko xam ne Sénégal damay xawul la dit automatiquement quand le Sénégal l'a appelé Youssouf Sapali Sabaly est venu jouer pour l'équipe nationale du Sénégal depuis loolu nak Youssouf Sapali a participé à toutes les grandes campagnes de l'équipe nationale du Sénégal tambalé ko ci euh, donc euh, Coupe du Monde 2018 hein bi nga il a fait une voilà une saison une Coupe du Monde hein, très très très très commode hein, très régulière de suñu Coupe d'Afrique 2019 malheureusement malheureusement pour lui euh, Coupe d'Afrique 2021 2022 bi Sénégal gagné fait que ko ndax dafa am gagne, mais à la dernière minute Aliou n'a pas voulu le convoquer donc moo Demoul, beaucoup donc si coupe d'Afrique. et il aurait mérité de gagner cette coupe d'Afrique. Afrique Nak, il est revenu au Sénégal toujours motivé Qui hein. donc ko gis mu et tous les matchs qu'il a eu à jouer au niveau de l'équipe nationale du Sénégal il a été exceptionnel la récente match récente victoire du Sénégal contre contre Brésil il a fait gagner 99% hein. donc de tacle réussi 100% de passe réussi également. Youssouf Sapali Sabali n'est aujourd'hui donc un des cadres de cette équipe du Sénégal, devenu indispensable pour Alucisé. comme je le dirais, c'est le, le, le, maçon, hein, le travailleur hein, de, de l'ombre, hein, l'homme 12 métiers du Sénégal que ce soit au niveau du côté droit, que ce soit au niveau du côté gauche, Youssouf Sapali Sabali est aujourd'hui, en tout cas, le patron hein, de la défense sénégalaise sur les ailes. Et au Sénégal, qui est un niveau. Parce qu'un jour, offensivement et défensivement, il est excellent. Il a progressé au fil des années. Sur le plan défensif, il a également un avantage défensif. C'est très, très, voilà, très, très, très complet attaquant et joué contre mieux ils ont des difficultés et aussi sur le plan offensif Mom à ki nga donc c'est duo ça a toujours été un duo magnifique les gens sénégalais sortent doyaluñ ci de de à droite Saliou à gauche aujourd'hui il y a aussi ki donc Ismaël Jacob qui est là et dans cette même dynamique le Sénégal aujourd'hui contre le Brésil qui di Youssouf Savali, sabali beaucoup aussi meilleur match maintenant il a atteint un autre niveau parce que les day ils il marque des buts ça montre qu'il progresse et qu'aujourd'hui le Sénégal ne peut plus se passer de Yusuf Sabaly gaay yi li mu nekkoon jàngat bu ndaw bu ñon def ci Baba ci ki nga nak moy donc euh, le patron hein, des ailes de l'équipe nationale du Sénégal muy ki di Youssouf Sabaly Sabaly bu len faté on va parler également prochain numéro sur Baba Sow ci li nga donc moy euh, kii di Samba Diallo hein fas yéene waxtaan ci mom gaay syndrome Samba Diallo woy leen like woy leen abonné bu len fat toujours gars di ci notification bi jaa ngeen